Salam alaikum, alors euh, moi c'est Omigei. Alors salut à tout le monde, euh, moi c'est Lady Z, artiste chanteuse, rappeuse. Hello, hello, je suis Mamie Victory, aka euh, Vicky Valley, aka The Sweet Poison, artiste rappeuse sénégalaise. yow jigéen ju mën góor Aline si Touré nee ma jaata doxe si yenn tànk yi doo ko xool ba nekk ko xàtt acca ma jiite góor yi amatul catégorie na cing-cing bi dandu ba nee ici c'est ori ginal ivi dëmm la dina la final ci final <laughs> yow ivi crazy la aka Moussou Kendo Hello oh, everybody, bien Black Queen le boy from C'est Mounaya, artiste rappeuse, auteur, compositeur, interprète. Salam alaikum tout le monde, c'est Mina Voile, artiste rappeuse, chanteuse, euh, from PA, from KM. Wow, déjà je pense que c'était le deuxième cypher que j'ai fait, le premier, c'était uniquement avec des hommes. Donc, euh, deuxième bi, moi, on uniquement avec des femmes. On est une belle expérience parce que partager quelque chose avec des femmes dans les hip-hop, surtout que je pense que c'était important à cette époque-là. Euh, époque Bobo aussi, c'était important. Donc, on est un état d'esprit positif, des textes, état d'esprit franchement, c'était une manière pour moi peut-être de confirmer ce que En fait, euh, mon état d'esprit était que déjà participer, Galsen hip hop sek fier fierté la won ci man te lu reuy la won jappé mako won lu ndaw parce que benen étape la won ci sama carrière parce que amna fuma yobou tay fuma tollu nit ñi dañ ma naan xam nga Ivis sen hip hop Awards et tout parce que fa la fa ma ñu bari xamé après euh, euh, flow up Uh, ma génne quelques projets ci la antam ci la dugg ci gal sen hip hop donc lu bari la ma yokal booster na ma sama visibilité te teg nañ fa lu nice Je venais à peine de commencer, en fait. Euh, Dougougoumouon carrément sur la, sur la scène du hip-hop. Donc, ouais, je suis venu rek, xam nga buy bibat woma quoi, na ma mami. Ouais, di mo fi yone quoi, da ngeen wara poser ci euh, Cypher Galsen Hip Hop Awards. Bon, bobu xamone nañ né dina am Galsen Hip Hop Awards quoi, euh, qui aurait la première édition et tout. Donc, euh, on était on était vraiment chaud quoi à l'idée d'avoir vraiment suñu ay awards bop. Lo xamanteni ni dañuy ci décerner ay prix, reconnaître ñu suñu job donc j'étais très euphorique en ce moment. ku dégg Hip Hop Awards xam euh, c'est benn événement boo xam ne rappeurs yi yëpp ñu gën a ci Sénégal ñoo fay donc euh, déjà privilège tu vois euh, deuxième deuxième qui étape bi nag vraiment chance la. jàkkaarloo ko waaye di jàkkaarloo tamit yeneen artistes yoo xam forcément ko ci écran bi rek ngeen doon gisee donc vraiment content. ci trop trop trop état d'esprit nag bu ma doon enregistré déjà euh, avant góor ne nous fréquenté rappeurs def et tout donc je pense que c'était la première fois mais rencontrer ay et commencement j'appréhendais un peu parce que xam euh, caractère rek beaucoup yi euh, mais au final ça s'est bien passé et quand je posais mes 16 bars déjà Wadi m'avait énervé il m'appelle il me dit viens tu vas poser et tout et il me dit oui mais fais attention hein, à ce que tu vas poser et moi, j'ai senti ça comme très machiste parce que je me suis dit, est-ce qu'il dit ça aux hommes en fait Est-ce que c'est parce que je suis une femme qu'il me dit, ouais, t'as intérêt à bien poser Est-ce qu'il dit aux garçons, t'as intérêt à bien poser Donc là, le problème euh, se pose en fait <laughs> de ce. En fait, il n'est pas, méchant. il dit, c'est, vous, savez, c'est l'animateur le plus choco. Moi, j'aime bien les gens chocos, les gens propres sur eux, c'est très important. Bref, c'est mon ami, mon frère. Mais. Euh, il ne l'a pas fait exprès, mais ça dénote en fait justement euh, les a priori beaucoup d'hommes et beaucoup même des gens du public ont sur les skills des femmes dans le hip-hop. Vous voyez un peu Mais quand le cypher est, sorti, après on a vu qu'on déchire. Mais alors quel était mon état d'esprit euh, C'est comme d'habitude, à chaque fois que je pose, moi je me fais plaisir. Je me disais pas non, je vais tuer plus que quelqu'un, je suis en compétition avec qui que ce soit, non. Je suis venu j'ai posé au calme comme d'habitude, voilà. Euh, dans un premier temps, euh, j'ai trouvé ça fun trouvé fun en fait déjà de partager euh, euh, tout un son hein, entier avec les autres euh, female artistes. c'était enrichissant. Euh, mais en fait, c'était pas comme si c'était une compétition ou un truc comme ça. Mais moi, c'était plaisant, quoi. moi, c'était plaisant, vraiment. Connect, nous etc. et tout. J'ai trouvé que c'était quelque chose qui était top. Il y avait uniquement que des filles. Et pour moi, c'était quelque chose, euh, je pense que ça, ça a fait démarrer une, amitié entre beaucoup d'entre nous. Parce que un moment, c'est vrai que Khamante Ona, Akumelni, Ivy Crazy, Akumelni, euh, Mami Victory, parce qu'on travaillait ensemble. Mais nous, Bari, euh, moment où nous Khamante, Akumelni DS Major, c'est une véritable amie. Nous avons échangé le Bari. Donc, Khamante Gali, nous sommes dans un environnement où Khamante,

c'était une ambiance féminine parce qu'il y avait moi il y avait Oumi il y avait Ivy Crazy tout ça Des Major Anta déjà le direct, <laughs> il faut demander à mon il a souffert parce que déjà nous a une heure de temps pour nous maquiller <laughs> xam nga une heure de temps pour nous maquiller donc vraiment il y avait une bonne ambiance parce que nous avons doon c'était vraiment vraiment vraiment une très bonne ambiance entre sœurs entre collègues mais une ambiance de ouf quoi. je me sentais un peu bizarre un peu stressée <laughs> aussi en même temps. Parce que, euh, en tant qu'artiste, hein, mis à part le fun, tout ça, euh, esprit de compète à part et tout, je me sentais un peu stressée parce que je me disais, j'espère que j'ai bien posé, j'espère que c'était cool, j'espère que c'était pas trop mal. Mais tu voyais juste par rapport au public. Euh, C'est-à-dire, quand ta partie venait et tout, c'est le public en fait qui réagit après. Tu peux savoir si tu as bien fait, si tu es au milieu. Déjà, j'étais stressée. Euh, parce que quand euh, tu xam un Hip Hop Awards nga xam ni ngan yëpp fa la ñuy nekk ñoom Daara ji ñoom Dip ñoom Omzo ñeneen ñeneen ñeneen ñeneen ñu bëri yoo xam carrément que euh, ci milieu bi la nek nekk ñoo xam ne nañ musique donc j'appréhendais un peu est-ce que dinañ recevoir euh, bu baax sama sama cypher est-ce que duñ ma xass après est-ce que euh, salle bi kenn du tatch wala autre chose mais dama dugg sama couple dafa dugg rek salle bi yëpp yuuxu après je me suis dit donc alhamdulilah c'est là commencé tok nag di jay bandi bandiru di bandi bandiru nak xam nak voilà que nice nak apprécier apprécié ne ko c'est juste ça. li mu gëna marqué jour boobu c'est un bu ñu waxé meilleur artiste féminine mais dès que ginnaaw mi naa la voilé était pourtant mosuma un projet amuma dara quoi genre maa ngi doog sama comeback le monde et tout en fait après daf ma def kon nga job loolu laa doon def quoi parce que a déjà def ko dara y a ngi wax meilleur artiste bi ni, ni tout de ce tour te bokkoo ça c'est nominé donc c'était euh, genre. En fait, l'homme grand marqué, je vois J'étais tellement, je sais pas s'il faut dire ostracisé, mais j'ai été tellement exclu exclue par des gens du milieu euh, du, du, rap sénégalais. Euh, je ne sais pas si c'est une forme de xénophobie, euh, si c'est parce que je suis que 50% sénégalaise, mais sans me le jette souvent à la figure, ben, quand je ramène des prix, je les quoi. Quand je ramène des signatures majeures, je les aussi. Pourquoi <laughs> C'est ça que je ne comprends pas en fait. Et j'ai été tellement exclue, alors que moi je pense qu'aujourd'hui, ils n'en ont pas deux comme moi, en fait. Et que donc, la, manière la plus intelligente de faire les choses, c'est de s'approprier ça, parce que c'est quelque chose que je donne de bon cœur. Donc, quand, au moment de mon passage, je me suis dit, bon, euh, j'aurai encore les remarques de d'habitude, c'est qui elle, une étrangère, alors que je suis dans mon propre pays. Alors que ce qui m'a surpris, mais qui m'a, ça m'a même donné la chair de poule, c'est qu'au au moment de mon passage, il y a eu une clameur dans le public et tout, tout ça. Et ça m'a fait plaisir parce que c'est quand même la reconnaissance de tes pères. Ça veut dire que tes pères te reconnaissent, ça veut dire que tes pères sont contents de te voir dans cette palette d'artistes choisis. Et ça m'a conforté dans le fait qu'il euh, ne fallait pas se concentrer sur les choses négatives. Eh, Resurrection. que je me rappelle Lola <laughs> Lola euh, pour ramener un peu le truc que Fada Freddy avait fait dans le son et tout, faire un petit big up donc damay dox si mbedd bi sax dégg résurrection donc xam nga <laughs> et de la part aussi des artistes les gens ont beaucoup apprécié le couplet ils ont aimé vraiment mon passage euh, ci Saïfa bi donc c'est à partir de là que j'ai commencé à me dire ah affaire bi nag mi ngi commencé vraiment gën sérieux quoi. waaw ce qui revenait la plupart du temps c'est que da ngaa doj tu vois. <laughs> tu bien tu fais bien les choses etc. on sent la féminité qu'il y a dans tes textes qu'il y a dans euh, tes gestes qu'il y a dans vraiment tout ce que tu fais et, c'est une bonne chose donc il y a beaucoup de gens qui vraiment les remarque yi me ma des def wala critique yi me ma des def sens bobu la que féminité bi ñuy sentir ci ci sama liggéey neex na leen en fait parce que c'était peut-être lo xamantene ni dans daanuñu ko gis lu bari et que ñukoy gis di non seulement ci habillement bi ci taxi, musique bi euh, ci euh, la façon de dégager tout ça donc c'est quelque chose qui revenait beaucoup à l'époque et je pense que c'est quelque chose qui qui m'a marqué et qui m'a forgé euh, à, travers le temps. Euh, retour positif là, tu am xam nga rek demoon na ba deuxième bi surtout dafa tombe fi nga xam ne dama demoon bay waaj a bàyyi xam nga nga woo ma proposé ma ma ñëw bokkaat ci sayfa yi ma ne pourquoi pas xam nga teguwaat ci kaw raay bi ma ñëw joué ci def ci lu nice après nit ñi di ma woo naan ma continuer ivi gëj dañ la gis namm nañ la loolu daf ma relancé waat moo tax ma nekkaat fii taxawaat ne damay dellu siwaat defaat li ma lu gën a garaaw li indi woon maa ngi ñëw dal seen kaw nag <laughs> retour positif vraiment yu positif parce que am na ñoo xam ne bokkuñu woon si sama cercle euh, de fans tu vois euh, ñi ngi doon kiffé Black Queen à travers si chaîne mais grâce à Galsen Hip Hop Awards je pense que ñu bari dañ m'a gëna découvrir tu vois ñoo xamné ne xamuñu won xamuñu woon ka mooy Black Queen légui xam Black Queen ba dugg tamit ci univers Black Queen ba instant ni nii dañoo abonné wu sama chaîne damay top lu ma def ñu xol lu ma def ñu suivre vraiment ay retours yu positif donc après l'événement euh... Bon, déjà, ça a fait quand même un peu de promo, on va dire, euh, tout naturellement, hein, parce que quand même, il y avait beaucoup de vues sur YouTube. Euh, les gens qui regardaient, tu vois déjà les commentaires. Euh, il y en a d'autres qui t'appellent. Hein. Moi, en fait, j'ai eu un, ami qui est. deux amis. L'un qui, qui est en Italie, l'autre qui est en France qui m'appelait directement jusque là bas hein, pour me dire euh, oui, on a vu le cypher et tout, c'était top, mais t'étais bien, hein, t'étais chaud, tout ça, etc. On a bien aimé et tout. Voilà, même telle, telle, telle personne aussi, ils ont bien fait, c'était cool. Vraiment, c'est un cypher qui est très nice, qui a du niveau, etc. Même pour toutes les autres filles et tout. Donc, j'ai eu des retours comme ça hein, sur Insta, les réseaux sociaux, tout ça. Les gens te disaient ah oui, si, j'ai vu, c'était vraiment nice. Yeah, ben, je à mais marché. Euh, je suis foofu non gis saa fi bi ñu teg ko ku may jaay mo ngi setan mais xamul sax man la en fait c'est euh, juste pour dire que tout le temps dañ ko doon tek te euh, tout le temps da ngay gis ñu woon yaa ngi feeñ tëddee ñu ngi lay et tout en plus c'était en direct jour bobu noonu. Euh, sur la DTV sama gars yu bien vrai que waxuma ko woon kenn euh, ñu bëri dañ ma doon woo seetaan naa la ak euh, nga def interview après c'est naa la nga def sayfu et tout xam affaire yu demee donc c'était c'était vraiment des retours vraiment positifs parce que comme ni ma koy waxee yi comme pour artiste yëpp. vraiment man lépp li ma jot li ma capté à travers Galsen Hip Hop Awards c'est que du positif parce que déjà c'est quelque chose qui qui rassemble c'est rare xam nga nga gis gel yi di bokk ben affaire wala gars yi di di dajaloo di defandoo ben affaire donc euh, euh, je, je n'y vois que du positif. Quoi. Leur dire que euh, quand il faut le faire, il faut le faire. Parce que euh, les feux de Gassan Hip Hop e, c'est un tremplin pour tous les rappeurs. Pour Kepoko Hamantene également, Benga Benganek, un futur euh, leader dans le rap, on va dire, tu vois. Nous jar nañ fa ñeneen ak ñeneen jar nañ fa tay bo xolé peut-être posture bi ñu am ci rap wala statut bi ñu am ci rap amana Gassan Hip Hop Awards e amna lu bari lo xamantene joué na ci tay bo nekké ko xamantene da ngay door commencer wala nga nek ba nga ci saayfa yi euh, liggéeyal lu bare bare bari parce que nak sama sama waji ji yi du n'importe qui mo ci <laughs> euh ñu job ñu job parce que fii amul dara lu lay fay lu dul job talent fayul liggéey moy fay bon euh, ñi nga xamné ne ñëwaguñu dama bëgg ngeen liggéey bu baax parce que waji ku rek mu wola waaw Galsen Hip papa wax du ay caaxaan du li nga xam ne fii la yem tey donc bëgg na buy wane suñu image fépp partout dans le monde mu doon lu solide li nga xam ne tey ji du ay foo du ay caaxaan na ñëpp liggéey affaire bi liggéey la de da ngeen di job def son yu nice bind ci lu am solo prouver nag wane wan seen waa dëkk ni mën ngeen am ay support yu bari bu ko defee waaye di dalay fekk si fi nga ne jël si la du yow yaa koy woo parce que ñun woowuñu waay ji moo ñu fekk fu ñu new jël suñu donc prouver leen affaire yi job la Euh, déjà dit féliciter Y.D. Euh, encourager aussi YD parce que c'est pas facile chaque année d'organiser organiser événement comme le Tolni Hip Hop Awards donc déjà il y a la première édition édition bii nii musul bàyyi musul donc c'est vraiment à féliciter et à encourager. Moi j'aime pas être gentil, mais je serai obligée d'être un peu gentille hmm. avec Y.D. <laughs> Le Galsen Hip Hop Awards euh, déjà il faut féliciter l'initiative. Et euh, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Euh, je vous aime, je vous aime et merci vraiment de, toujours m'encourager, de, tout le temps me montrer votre soutien. Euh, vraiment tout le temps donc je vous dis vraiment merci et je vous promets de ne jamais vous décevoir parce que je vous ci ay ni Eh, yéen rek tax may sonu di dem di ñew di yek di wacc suba ngoon guddeeg bëccëg pour indil len lo xamanteni ni vraiment mais vraiment mais vraiment

jéem a xool suggestion aussi nañu féliciter affaire bi parce que c'est c'est une idée boo xamante ne vraiment c'est euh, dafa nice vraiment donc euh, voilà gars yi ñëw leen ngeen jàpp ci affaire bi.